Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Euh, suivant les règles de la loi islamique, l'homme, euh, je vais dire le même mâle, est le chef de la famille musulmane. Et cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran que الرجال ala على النساء بما Allah الله بعضهم على wa وبما أنفقوا min amwalihim et que les hommes ont l'autorité dans, dans, le foyer sur les femmes, du fait que Allah a disposé ainsi la société pour que d'autres dirigent d'autres, et du fait aussi que les hommes dépensent de leurs biens. Et tirant argument de cela, les savants musulmans disent que la totalité des dépenses familiales doit revenir à un homme. C'est pourquoi un homme vient devant le cadi musulman, euh, l'officier musulman qui est l'imam aujourd'hui pour célébrer un mariage, on doit lui demander est-ce qu'il a la capacité de loger la femme, de l'habiller, de la soigner, de la nourrir, de l'éduquer et enfin maintenant peut-être d'avoir des rapports intimes euh, avec elle. Et quand tous ces éléments sont réunis, alors il consent à la célébration du mariage. Donc c'est l'homme qui prend les dépenses de, de la famille. Et la femme, elle peut participer aux dépenses de la famille, mais cela lui revient comme une sadaka. Mais il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'interdiction que quand une femme a les moyens, elle puisse mettre ces moyens-là à la disposition de son mari. La loi islamique même l'autorise à lui donner effectivement, par exemple, la zakat, qui est euh, une adoration par les biens. Mais quand son mari est diminué et que la femme a des biens, au lieu d'aller donner la zakat ailleurs, elle peut donner même à son mari pour que son mari en fasse peut-être un fonds de commerce, etc. Et, tout cela c'est vu. Et l'exemple le plus patent, c'est notre prophète Mohammed qui a marié Khadija, alors qu'il n'avait pas de biens. Donc je pense que si on prend cela, c'est Khadija qui a pris en charge la totalité des frais euh, du foyer. Voilà. Et, même elle a mis ses biens pour le service de, l'islam, pour que l'islam arrive aujourd'hui. Donc il n'y a aucune opposition à l'islam, parce que euh, l'homme vive dans une propriété euh, de sa femme, utilise une voiture de sa femme, sa femme. C'est ça aussi l'amour et l'affection. Mais il ne faudra pas qu'il en fasse un droit. Et la femme aussi sache que quand elle fait cela, c'est une monde, c'est une sadaka. Voilà, qu'elle fait au nom d'Allah subhanahu